taxaway bu mu ci am man mi man duma bon allez allons vite de une minute hein parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire waaw di ko di ko rafetlu je pense que euh, régime bu ñëwee nouveau gouvernement bu ñëwee daal di teg cette question centrale euh, di réformer justice def ko quelque chose d'inclusif nga xam population yëpp ñoo ciy acteurs yëpp ñoo dans le sens parce que justice pilier fondamental la démocratie. démocratie pilier fondamental la stabilité donc nous constatons plus ou moins ay dysfonctionnement yu am ci justice donc euh, esprit constructif lañ woowee nit ñi ku nekk acteurs l'ensemble des acteurs jusque dans les citoyens ñi nga xam jafe-jafe ak justice ñu waxtaane ko mais dans un sens pas de dire lu ñaaw wala naan ki mo def non non parce que le système su problèmes. problème acteurs yi ne sont pas les principaux responsables même si nous ñoo def donc c'est voir difficulté yi nga xamni ne justice am na ko waxtaane ko xool une solution lañ ci mëna a apporter ndax justice dafa soxla ñu jappalé ko ñu taxaw ko ndax développement stabilité état de droit mënul am ci réew te justice bi doxul justice est le premier pilier avant l'économie, avant l'étude. parce que si bu ne rek nit investir population se sente à l'aise mais participer à la construction d'un état moderne donc c'est très important nous nous ñaan euh, concrétiser dans le sens de l'apaisement du pays et son développement merci Bonjour. Je suis le gouverneur Mbanyingiaï, premier vice-président de l'association des anciens de la région. Ancien gouverneur de Ziguinchor en 1993 et ancien gouverneur de Saint-Louis. Je viens représenter le président Souleymane Diène et Ampéché. Je suis à votre disposition pour les questions. Journée, euh, dialogue national. qui vient à son heure. Parce que depuis 1960, la justice sénégalaise fonctionne de façon... Les causes économiques et sociales qui étaient à l'origine 1960 ont beaucoup évolué. D'où la nécessité de réadapter notre... Simplement analyser aux juges, aux procureurs et aux gendarmes. Mais il faut faire de sorte que la justice soit aussi sociale. de réinsertion davantage. Il y a déjà des volets des maisons d'arrêt et de correction. Mais l'accent n'est pas suffisamment mis sur la formation professionnelle, la réintégration effective à partir de projets, qui fait que la petite catégorie, c'est-à-dire les, les jeunes, un encadrement pendant leur incarcération et après leur incarcération pour une inclusion dans la société, c'est-à-dire une participation effective dans les acteurs de la, la troisième opportunité, c'est de faire de sorte que ce qu'on appelle terrorisme soit analysé. Les causes qui font que les jeunes intègrent les mouvements terroristes, c'est des causes économiques généralement. Il y a l'argent,